Espace femme. Espace femme. Espace femme. Espace femme. Et les femmes disposent désormais d'un temps d'antenne à travers les radios partenaires euh, de Studio Kalangu. C'est chaque mardi à 18h15 minutes dans Espace Selon un article publié par Niamey, les deux jours, les femmes représentent plus de la moitié de la population nigérienne estimée à plus de 18,3 millions en 2014. Malgré ce poids démographique sur le plan éducatif, on constate un faible taux, 29% de filles scolarisées au Niger, une disparité constatée aussi bien en milieu rural qu'urbain. Le milieu rural qui représente 85% de la population totale du ne compte que 15% de filles euh, scolarisées dans un communiqué du 5 euh, décembre 2017, toujours selon le même article. Les filles euh, présentent un taux de scolarisation nettement inférieur à celui des garçons. Quel est le taux brut de scolarisation en 2018-2019 Pourquoi il y a plus de garçons scolarisés que de filles au primaire puis au collège Quelles sont les régions où ces disparités sont plus constater comment faire pour maintenir la fille à l'école. Dans un premier temps, il sera question de poser le contexte dans les différentes régions du Niger, comprendre les raisons qui poussent les parents à retirer leur fille à l'école précocement, savoir si, en plus du comportement des parents, d'autres explications s'ajoutent à la scolarisation de la jeune fille. Ensuite, nos invités tenteront de mettre en exergue les conséquences tant sur le plan économique, politique que social la troisième partie de cette émission traitera des alternatives pour remédier à ces disparités qui concernent les filles dans le système éducatif. Pour répondre à toutes ces questions autour de cette table, Nafissa Idé, coordinatrice de FAD, Femmes, Action et Développement, une organisation non gouvernementale qui œuvre pour la promotion et la défense des droits des femmes au Niger. Nafissa Idé, bonsoir. bonsoir. Elle est aussi avec nous. Elle, c'est la directrice de la promotion de la scolarisation de la jeune fille au ministère de l'enseignement primaire, Mariama Lawali Shikao. Bonsoir Mariama Lawali Shikao. Notre troisième invité c'est Kaltouma Ambarka. Elle nous vient du réseau des organisations du secteur éducatif du Niger. Moi, c'est Diallo Mariama Kenda. La scolarisation de la jeune fille au Niger, la problématique de son maintien, c'est de cela qu'il est question avant toute chose. Mesdames, écoutons tout de suite ces témoignages recueillis à Niamey et à Maradi. Moi, je n'ai pas arrêté l'école après mon mariage puisque c'est mon mari lui-même qui m'encourage aux études. Mais ce n'est pas facile de concilier les deux, entretenir son foyer et l'école. L'année dernière, je faisais la classe de troisième. Cette même année, j'ai accouché, donc j'étais obligée de suspendre momentanément les cours. Mais Dieu merci, Inch'Allah, cette année, je vais reprendre la classe de troisième pour décrocher mon brevet. kuma in Allah ya kai insha Allah zan yi kokari in ciwo brevet allah zan koyi wajen da koyi wai man diya ta ku hannu kan gubo goma Je ne vois aucun problème à la scolarisation des jeunes filles. C'est même une bonne chose. Mais dans certains villages, il y a peu de filles et lorsque les garçons veulent prendre épouse, les parents se voient obligés de déscolariser les filles pour les marier. Dans d'autres villages, ils se disent qu'il ne sert à rien de laisser sa fille étudier pendant plusieurs années pour en fin de compte se retrouver au chômage après l'obtention de son diplôme. Et surtout que le maintien de la jeune fille à l'école demande beaucoup de moyens et des efforts supplémentaires de la part de l'État, des enseignants et de nous autres parents. De nos jours, nous constatons que la majorité des filles s'adonnent à la débauche à l'école. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement de protéger les jeunes filles dans leur cursus scolaire. Surtout qu'il y a des enseignants qui essaient de profiter de leur statut pour abuser de ces jeunes filles. Il y a aussi des parents qui pensent que les enseignants n'ont même pas de niveau pour apprendre quelque chose à leurs enfants. Dès que tu atteins l'âge de 14-15 ans, ils s'empressent de te marier. Ils se fichent que leurs enfants étudient ou non. Moi, c'est ce qui m'a empêché de continuer l'école. On m'a marié très tôt. Maintenant, je le regrette. Certains de nos promotionnaires ont réussi. On les croise de temps en temps. Et moi, j'aurais dû être comme eux réussir. Je conseille aux parents de laisser leurs enfants poursuivre l'école car s'instruire est très important dans la vie d'une femme. Nous, on le regrette amèrement d'avoir quitté les bancs de l'école très tôt. Mesdames, autour de cette table, vous venez d'entendre donc ces témoignages. Euh, Mariama Lawali Chibkao, je rappelle que vous êtes la directrice de la promotion de la scolarisation de la jeune fille au ministère de l'enseignement euh, primaire. Euh, une petite réaction sur ces témoignages avant donc de rentrer dans la profondeur de cette thématique. Merci. Le témoignage que je viens d'écouter est le reflet de euh, la situation réelle de la scolarisation des filles au Niger, de continuer ses études parce que prématurément elle a été euh, exclue de l'école pour euh, le mariage et aussi peut-être certains préjugés des parents qui préfèrent regarder peut-être d'autres intérêts immédiat au détriment de l'intérêt général et particulièrement la priorité qui doit être euh, euh, l'intérêt ou l'avenir de la fille. Est-ce que, est-ce qu'en réalité, elles sont nombreuses ces filles qui se retrouvent dans cette situation Donc, je parle des filles qui, en pleine année scolaire, sont retirées euh, de l'école. Bien sûr, elles sont nombreuses. Il suffit de regarder les statistiques de l'éducation vous avez tantôt euh, évoqué, on peut regarder le taux brut de scolarisation qui est le rapport entre tous les enfants en âge d'aller à l'école au Niger, les enfants qui sont à l'école et les enfants qui ont l'âge légal, c'est-à-dire les enfants dont l'âge varie entre 7 et 12 ans, c'est ça l'âge de primaire, et tous les enfants qui sont à l'école. Quand on rapporte ce nombre sur ce nombre d'enfants scolarisables, on multiplie par 100, on va retrouver en gros 70,6% des enfants nigériens qui sont inscrits à l'école. Mais quand on regarde à l'intérieur, quelle est les enfants nigériens, on parle de tous les enfants, filles, garçons filles et garçons. Ça, je vous donne la dernière situation de 2018, année scolaire 2018-2019. D'accord. À l'intérieur, quand nous regardons ce taux-là, nous allons euh, euh, remarquer qu'il n'y a que 65,4% des filles en âge d'aller à l'école qui sont à l'école, le taux brut de scolarisation des filles. Alors que du côté des garçons, ils sont à 75,4%. 7%. Vous voyez un peu l'écart qu'il y a entre les chances pour les filles d'être à l'école que les garçons. Les filles ont moins de chances d'être à l'école. Comme vous parlez du maintien scolaire, nous avons un autre indicateur qui est le taux d'achèvement du primaire. Quand on prend tous les enfants âgés de 12 ans au Niger, 12 ans c'est l'âge normal pour être en classe de CM2, c'est-à-dire en dernière année de cycle primaire, sans redoubler. Quand on rapporte cette population d'enfants nigériens au nombre d'enfants qui sont en classe de CM2 qui n'ont jamais redoublé, c'est ça qu'on appelle le taux d'achèvement du primaire. Ce taux, globalement au Niger, il est de 62%, filles comme garçons. Quand nous le désagrégeons, nous allons nous rendre compte qu'il n'y a que 57,2% de filles. Or, nous avons jusqu'à 66,7% des garçons qui parviennent à achever le cycle primaire. Ça, c'est les, les, les, statistiques. c'est juste pour quand on regarde la photographie des indicateurs et on essaie de les interpréter soit en faveur, soit en défaveur de filles. Il y a aussi une autre situation, ça c'est ceux qui sont à l'école. Quand nous regardons, il y a un autre élément, un autre indicateur qu'il faut regarder désormais, c'est les enfants et adolescents en dehors de l'école. Cela sous-entend qu'il y a d'abord une partie des enfants qui n'ont jamais eu la chance d'aller l'école. Et il y a aussi cette partie d'enfants qui ont été inscrits mais qui ont quitté précocement avant de finir le primaire. À ce niveau-là, si on prend la tranche d'âge de 7 à 12 ans, nous avons 43,1% des filles qui sont en dehors de l'école, qui doivent être à l'école mais qui sont en dehors de l'école. Mais qui n'ont jamais été à l'école qui n'ont jamais été à l'école ou qui ont été, qui ont quitté l'école avant de finir le CM2 précocement. Alors, je reviendrai vers euh, vous, Mariama Lawali Chipkao. Je suis avec donc euh, qui est donc la coordinatrice, je le disais, de FAD, euh, Femme Action et Développement. Et sur le terrain, Nafissa Idé, est-ce que vous, avez eu le même constat ou bien à votre niveau, le constat est, différent C'est vrai, c'est similaire vraiment à ce que la directrice vient de brosser comme euh, données statistiques. Et ce que nous constatons sur le terrain, c'est vraiment clair. Et les jeunes filles pour, arrivent à poursuivre leurs études contrairement à leur, euh, aux jeunes garçons. Et elles sont confrontées à plusieurs obstacles ou abus qui les empêchent vraiment de poursuivre leurs études. Et maintenant, j'aimerais juste revenir par rapport au témoignage qui a été donné par euh, deux auditeurs. Et je pense que c'est quelques causes qui ont été et parce que parmi ces causes, ils ont parlé de la pauvreté euh, des ménages, des, parents. Ils ont aussi parlé du niveau des enseignants. Malheureusement, c'est ce que nous constatons aussi, certains parents sont réticents à envoyer leurs enfants à l'école ou bien à les maintenir parce que nous constatons que le niveau de certains enseignants ne peuvent pas garantir vraiment aux filles une éducation de qualité. Donc, ils vont préférer plutôt qu'envoyer les filles à l'école que de les donner en mariage ou bien les utiliser pour des activités économiques. Ils ont parlé aussi de mariage précoce et, de et, forcé. Ça, c'est ce qui est très fréquent que nous constatons sur le terrain, malheureusement, qui continue. Les parents aujourd'hui préfèrent donner les, filles en mariage pour euh, réduire les charges familiales. Alors, la directrice donc de la promotion de la scolarisation de la jeune fille au ministère euh, de l'enseignement primaire, est-ce que de tout ce qu'on a entendu, on peut dire que le mariage est l'une des raisons et l'une des principales raisons du fait que les filles sont retirées de l'école par les parents Je peux, euh, sans risque de me tromper, affirmer que le mariage est une des principales causes de la sous-scolarisation ou du faible maintien scolaire des filles. Au niveau de notre société, la mentalité, c'est que la fille à 14, 15 ans, elle est suffisamment grande pour la mettre à l'abri du déshonneur ou pour qu'elle n'entache pas l'honneur de la famille. Parce qu'à partir de cet âge-là, elle pourrait mettre au monde un enfant. Et surtout, il faudrait prendre des mesures préventives pour que cet enfant n'arrive pas hors mariage. Voici pourquoi il faut très rapidement lui trouver un mari. Nous parlons de la situation surtout du milieu rural. Et le milieu rural, il ne faut pas perdre de vue qu'il regorge ou qu'il recouvre environ 80% de notre territoire. 80% de la population du Niger, 80% des filles en âge d'aller à l'école se retrouvent dans cette situation du fait de la volonté d'abord des parents, du fait aussi de la volonté des filles. Comme je dis, c'est aussi culturel. Il ne faut pas aussi se voiler la face. Il y a une mauvaise lecture ou une mauvaise interprétation de la religion qui, qui semble créer une certaine équation entre, euh, entre l'école et, et notre contexte socio-culturel. Or, il n'en est rien. C'est juste une mauvaise interprétation ou une sous-information. Un autre facteur aussi qui explique la prédominance du mariage, Nafis a rappelé la question de la pauvreté. Nous savons que, euh, en moyenne, chaque femme nigérienne mais au monde cet enfant. C'est des bouches à nourrir, c'est le poids de la pauvreté. Est-ce que Madame euh, Kaltoumi, donc Ambarka, est-ce que euh, vous, vous pourriez nous dire, je rappelle que vous êtes du réseau des organisations du secteur éducatif du Niger, Rosen, est-ce que vous, avec vous, on peut savoir s'il y a une prédominance au niveau des régions des régions, des différentes régions. Je n'ai pas ces, statistiques. D'accord. Euh, donc vous nous référez donc à, <laughs> la directrice de la promotion de la scolarisation de la jeune fille. parce qu'en tant qu'organisation, on ne peut pas. Mais entre autres raisons, par exemple, euh, et, du fait que la fille est, est retirée précocement de l'école, est-ce qu'il y a l'éloignement des écoles On peut parler de l'éloignement euh, à un certain stade surtout quand la fille va au collège. En général, le collège n'est pas euh, dans le village ou bien il n'est pas très proche de la, de, la maison de la fille. Donc, elle est obligée d'aller très loin et ce peut-être pour passer la semaine ou même l'année scolaire en dehors de sa famille. D'abord, il y a donc euh, cette prise en charge qu'il faut voir, dans quelle famille il faut l'amener, comment la prendre en charge, comment se séparer de la famille. Surtout que la jeune fille, on le sait, c'est elle qui aide la maman à la maison à travailler, à faire le ménage pendant que le petit garçon est dehors. Donc, euh, je pense que... Le poids travaux domestiques oh Oui, le poids des travaux domestiques, si on peut le dire comme ça, et peut amener la jeune fille à ne pas finir sa scolarité. Alors, puisque <laughs> on nous a référé euh, Mariama, donc Lawali, Chipkao, est-ce qu'il y a une prédominance au niveau de ces régions toujours, euh, si on se euh, réfère aux statistiques officielles, vous avez en termes de sous-scolarisation, mhm. en termes de couverture en taux brut de scolarisation, la région qui enregistre le plus faible taux de scolarisation Défi particulièrement, c'est la région de Tawa, suivie de la région de Zinder, la région de Maradi. On a des chiffres qui accompagnent là La région de Tawa, le taux d'admission aux primaires, elles sont de l'ordre de 61,8%, alors que j'avais dit que la moyenne nationale est de 74,9%. Au niveau de la région de Zinder, ce taux est de 67,7%, toujours en référence à la moyenne nationale et à Maradi, il est de 60 72,9%. Il est en deçà de la moyenne nationale. Mais je tiens ici à relever une particularité très importante. Allez-y. C'est la situation de la région de Difa. Difa, nous avons un taux brut d'admission aux primaires des filles qui s'élève à 81,2% contre 76,4% pour les garçons. Autrement dit, on retrouve beaucoup plus de filles que de garçons à l'école à Difa. Le taux est nettement supérieure à la moyenne nationale. On parle de cette année scolaire 2018-2019. C'est l'indicateur, l'annuaire statistique 2018. Mais nous, cette situation, au lieu de nous réjouir, elle nous inquiète. C'est une situation qui peut s'expliquer par la situation d'insécurité dans laquelle se trouve actuellement la région de Difa, où, en fait, est-ce que toutes les filles de Difa sont à l'école Ça, c'est une interrogation. Ce n'est pas sûr. Où sont les garçons qui sont supposés être à l'école ouais. Qu'est-ce qui explique cette situation-là Il y a le flux des migrants, des déplacés, des détournés qui viennent un peu augmenter le nombre d'enfants. Et tous ces enfants-là, ils sont comptabilisés dans les calculs des statistiques nationales. Donc, ça nous met dans une situation où on n'a pas une vision très nette de la situation de La fille nigérienne. De la fille nigérienne, de l'enfant de Difa. Puisque nous, en tant que direction en charge de la promotion de la scolarisation des filles, nous regardons aussi les statistiques avec des lunettes de genre, auquel cas nous serions dans une situation où nous serions obligés de faire un autre travail, comme celui que nous sommes en train de faire au niveau des autres régions, pour rattraper les cas en ah. défaveur des filles. Là, à c'est en défaveur des garçons. Alors, question, Nafissa Idée, donc euh, coordinatrice de, de FAD, Femmes, Action et Développement. Je reviens sur un petit point, si vous êtes d'accord. Entre autres raisons évoquées donc ici raisons qui euh, font que les filles sont retirées précocement à l'école. Les violences en, milieu scolaire, hein. un parent d'élève a évoqué ici le fait que certaines filles euh, sont aussi harcelées à l'école. D'ailleurs, cette situation, Nafissa, idée de l'ONG FAD, est-ce que vous, la connaissez euh, Effectivement, c'est ce qui explique aussi un peu les grossesses indésirées parce qu'il y a des filles qui se retrouvent en milieu scolaire, en tout cas qui se retrouvent avec des grossesses. Deux fois, les auteurs eh, sont connus et ce sont les, les enseignants eux-mêmes qui abusent en tout cas de, de ces filles. Deux fois aussi, compte tenu de l'éloignement de l'école, les filles sont exposées donc la distance qu'elle parcourt pour arriver à l'école, en tout cas le, parcours de la maison, à l'école, les allers-retours euh, par journée, ça les expose. Donc euh, deux fois elles sont violées et elles sont manipulées, elles sont harcelées par des passeurs deux fois parce qu'elles cherchent occasion de fois. C'est à 15, deux fois 20, voire plus de kilométrage pour arriver à l'école. Est-ce que cette situation, par exemple, Mariama Laoli vous avez aussi un regard, je parle du ministère, hein, un regard aussi sur cette situation Nous avons euh, un regard sur la situation de tous les habits commis contre les filles, particulièrement les filles en cours de scolarité. Mais il n'y a pas que les enseignants les filles, elles sont victimes sur le chemin de l'école. Elles sont détournées compte tenu de leur âge, leur euh, niveau de maturité. Même leur vulnérabilité. Leur, vulnérabilité, elles sont facilement détournées sur le chemin de l'école. Des fois, c'est même entre pères, comme on dit. C'est des situations que nous gérons au quotidien avec euh, les hommes d'un certain âge qui gravitent autour de l'école. La situation, elle est là, mais on refuse d'en parler. On a des difficulté à réunir ou à présenter des statistiques assez exhaustives sur le sujet. c'est un sujet que nous gérons au quotidien, je le reconnais. Alors, on a peur d'en parler, ça veut dire le ministère a peur d'en parler, les organisations ont peur euh, d'en parler. Pourquoi et ont peur d'en parler Parce qu'il n'y a pas assez de moyens et des, dispositifs qui sont en place pour pouvoir combattre tout ça. La crainte, elle vient d'où je, je recadre la crainte pour que un cas soit reconnu et porté devant les juridictions. Il faudrait que la concernée ou ses parents portent plainte devant les autorités compétentes quelle que soit notre volonté, si le parent refuse de porter plainte ou s'il retire sa plainte, nous ne pouvons rien. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, nous avons parlé de la vulnérabilité. Souvent, ceux qui abusent de ces filles comptent pour donner de l'argent aux parents. Et prenant cet argent-là, les parents refusent de porter plainte. Même si nous voyons les cas. Ce qui fait que, j'ai dit que, statistiquement parlant, il y a beaucoup de cas, mais qui ne sont pas enregistrés parce que, officiellement non euh, reconnus comme tels. On ne les a pas enregistrés. Et ça, pour en parler, il nous faudrait un autre forum. Et donc, pour l'instant, comme nous sommes dans, un forum très particulier, donc on parlons du maintien, euh, des auditeurs, de la jeune fille à l'école. Et nous sommes en, nous sommes en compagnie, pardon, euh, de Mariama Lawali Elle est la directrice de la promotion de la scolarisation de la jeune fille au ministère de l'enseignement primaire de Nafisa Ide, qui est la coordinatrice de FAD, Femmes Action et Développement, et aussi de Madame Kaltouma, qui nous vient du réseau des organisations du secteur éducatif euh, du Niger. Alors nous allons évoluer euh, du Niger, nous poursuivons ce débat. Y a-t-il donc des lois ou des documents qui protègent la fille en milieu scolaire Madame Kaltouma Ambarka, D'accord, Là aussi, je crois que je vais me référer encore à la. Alors moi, je me réfère. je me réfère. Oui, parce que euh, moi, je, je vais parler surtout des, comme l'a dit la directrice, des filles vulnérables et en fait. D'accord. Voilà. D'accord. Donc pour l'instant, la <laughs> en tout cas, tout ce qu'on va dire euh, c'est sur le plateau, c'est sur le contrôle en tout cas euh, de la directrice de la promotion de la femme qui en Tout cas, a joué un rôle très important par rapport au texte existant. Nous, nous nous référant au récent texte qui est sorti, qui est le décret et son arrêté d'application qui est sorti et le 4 février 2018. C'est le décret portant protection, soutien, accompagnement de la jeune fille en cours de scolarité. Donc c'est le seul outil aujourd'hui qu'on a de plaidoyer, c'est le seul outil qu'on a aussi pour dissuader les parents à donner les filles en mariage. Même si ce décret a aussi des insuffisances dans son contenu parce que ça prévoit pas de sanctions. Deux fois, on se confronte à des situations vraiment très ambiguës. Il y a des plaintes que nous recevons. Une fois à la justice, on ne peut pas arriver jusqu'à la fin du, processus. Alors, sa Saïdi, j'essaie de comprendre que dit concrètement ce décret. Et le décret prévoit à la jeune fille et donne à la jeune fille en tout cas le pouvoir de rester à l'école jusqu'à l'âge de 18 ans. À travers ce décret, la jeune fille est à l'abri de tout abus, que ça soit sur son chemin de l'école, que ça soit en milieu scolaire. Et au niveau des violences aussi, elle est, elle est, à l'abri de cela. Donc l'État vraiment lui garantit une scolarité protégée jusqu'à l'âge de 18 ans. Alors, dans le décret. Dans le décret. contenu mais vous avez aussi dit que ce, document n'avait pas un caractère répressif. Comment est-ce que oh, ça peut se gérer Ça se gère euh, pour la simple raison que on prend référence aux années 1960 au temps de Seynou ou où en ce temps, c'est simple circulaire qui faisait vraiment peur aux parents. Donc maintenant, avec ce décret, on essaie vraiment d'amener les parents à comprendre que c'est un acte qui a été pris par le gouvernement de la République, par le président lui-même. Donc le décret peut être valorisé à ce niveau. Et vous parliez aussi des plaintes que vous recevez et que vous n'arrivez pas peut-être à, gérer jusqu'au bout, Tout à faute fait. de, je sais pas, du dispositif. En tout cas, du dispositif et de sanctions qui n'est pas prise en compte dans le décret. Rien que à Maradi, en en trois mois, on a reçu plus de cinq plaintes qu'on n'a pas pu continuer. Cinq plaintes euh, contre qui euh? En tout cas, contre des abus, contre des violences, contre des mariages forcés et faites aux filles. De, certaines localités de la région de, de Maradi. Alors, Mariama Lawali Chikau, donc, euh, qu'est-ce que vous vous répondez par exemple Qu'est-ce que vous dites de ce document avec votre permission, je voudrais en fait rappeler en termes de documents qui protègent les filles. Le Niger ne voulut pas en vase clos. Nous avons ratifié des, conventions internationales, telles que euh, la Convention relative aux droits de l'enfant, ratifié la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Notre pays est signataire de la Charte africaine des droits et du bien-être de, l'enfant qui protège, qui garantissent et qui consacre le droit à l'éducation, aussi bien pour les garçons que pour les filles ces dispositions-là, elles sont consacrées par la Constitution du Niger. Elles sont reprises par la loi d'orientation du système éducatif nigérien. Nous avons tout ça pour euh, défendre, protéger les jeunes filles et, et porter plainte. exact, nous avons le code pénal aussi au Niger. Il faut dire, nous avons d'abord cet arsenal qui, j'avoue, comme elle le dit, peut être présenté des insuffisances que nous cherchons à compléter ou à compléter avec d'autres textes tels que le décret que euh, euh, Nafisa vient de citer, le 935 de décembre 2017 portant sur la protection, le soutien et l'accompagnement de la jeune fille en cours de scolarité et son arrêté d'application, l'arrêté qui précise les conditions de mise en œuvre de ce décret. Il a été signé en février 2019. Pendant que tu étais, je crois, en pèlerinage, le 22 août passé. Et là, vous adressez à il moi. le <laughs> août passé, nous avons signé trois arrêtés l'arrêté numéro 935 qui complète l'arrêté qui précise les conditions de la mise en œuvre de ce décret-là. Et cet arrêté-là, lui, il précise les sanctions. Il dit nommément que lorsque une fille est victime de toute forme de violence, l'auteur doit non seulement subir la rigueur de la loi, mais en plus il sera obligé de rembourser à l'État et aux partenaires tout ce qu'ils ont investi pour l'éducation de la fille. Waouh, et ça, ça, c'est un article. Et en plus, la situation que nous vivons, à laquelle les filles et nous faisons face, souvent, même si on appelle l'auteur en cas de, de, grossesse, il dit OK, je baptise l'enfant et puis c'est fini. Certaines ne baptisent même pas l'enfant. Nous avons dit il a obligation de reconnaître l'enfant et de le prendre totalement en charge. Et les, les enseignants, tous les acteurs sociaux qui observent une situation qui compromet la scolarité ou la scolarisation de la fille sont tenus de dénoncer auprès de qui de droit. Et lorsque il arrive aussi que des filles soient abusées, qu'elles se trouvent dans une situation de mariage forcé ou de grossesse et elles se retrouvent avec des enfants. Dès qu'elles se retrouvent avec une grossesse, souvent on lui refuse le retour de l'école. Nous avons dans cet arrêté dire que désormais tout directeur qui empêcherait à une fille victime de grossesse, de reprendre le chemin de l'école après délivrance, il sera également sanctionné parce qu'il ne faudrait pas que la fille soit pénalisée doublement ou triplement. Ça, c'est le premier arrêté, le 335. Le même jour, nous avons pris un autre arrêté. Comme je disais, nous avons constaté que le peu de filles qui rentrent à l'école quittent en quantité. Il faut créer les conditions pour qu'elles restent à l'école. En milieu rural, nous avons dit il faut créer des centres d'hébergement communautaire. Désormais, dans les villages les plus reculés où l'accès à l'école est difficile, on va créer des sortes d'internats pour permettre aux filles de rester pour qu'elles soient alimentées, elles soient habillées avec un règlement intérieur rigoureux pour lui assurer la protection et un enseignement de qualité. Et celles qui n'ont pas la chance d'accès à l'école, là, on a pris un autre arrêté pour dire désormais au village, là, il faut identifier toutes les filles âgées de 8 à 9 ans, là, qui sont dans le village et immédiatement à partir de cette rentrée, elles sont scolarisables. On doit les accepter à l'école. Voici donc des mesures qui sont prises pour assurer une meilleure protection pour la jeune fille en général et celle qui est à l'école en particulier. La suite, c'était de savoir quelles sont les alternatives autres. Et là, du coup, on se retrouve avec des arrêtés et qui prennent en compte toutes, les situations. Et là, qu'est-ce qui reste à dire Je pense que ce qui reste à dire par rapport à tous ces arrêtés, c'est leur mise en œuvre. Voilà. Il faut que ces arrêtés rentrent en vigueur et qu'ils soient effectifs, que les populations rurales soient informées, que ça soit vulgarisé largement. Nafissa vient de, me donner un coup de main. On va juste souffler et on va aller à la découverte euh, d'une femme qui est très brave aussi, euh, qui fait beaucoup euh, dans sa localité. Il s'agit de Delphine Mansa, âgée de 75 ans, très motivée dans son combat dans la région de Maradi. Delphine est une ancienne enseignante qui, même après sa retraite continue de vrai pour l'éducation des enfants en général et le maintien de la scolarisation de la jeune fille. Allons-y à la découverte de cette brave dame. Âgée de 75 ans et mère de quatre enfants, Delphine Mensa est enseignante à la retraite à Maradi. Depuis quelques années, elle milite au sein de l'ONG Protection de l'enfance en circonstances difficiles. Malgré le poids de l'âge, Delphine, la tante des enfants, comme on la surnomme, est une femme très engagée dans la lutte en faveur de la scolarisation et du maintien de la jeune fille à l'école. Selon elle, cette lutte lui vient de sa propre vie. J'ai perdu mon mari en 1972. J'avais quatre enfants avec lui. J'ai eu la chance que mes parents m'ont amené à l'école, donc je suis fonctionnaire. Mon salaire me permettait d'un moment à un de venir à mes besoins et ensuite à aider mes enfants à les pousser pour qu'ils deviennent aujourd'hui ce qu'ils sont devenus. Donc, en partant même de cet exemple de moi-même, me suffit pour que je puisse aider les autres qui n'ont pas eu cette chance. Sa première victoire est arrivée de chez elle quand elle a réussi à convaincre le mari de sa sœur qui ne voulait pas inscrire ses deux filles à l'école. Il a fallu trouver une solution de garde partagée pour qu'il accepte enfin la scolarité des filles. Je lui ai laissé la grande sœur, c'est moi qui l'ai inscrite à la Médersa. La petite sœur, je l'ai prise ici avec moi. Donc, clopin, clopin, elles sont arrivées. Malheureusement, la grande sœur, deux fois, elle a fait le bac franco-arabe, elle n'est pas reçue. Celle qui est avec moi vient d'être admise au bac D que je compte encore suivre à médecine ou autre chose. Et grâce à ces deux filles, maintenant à la maison, tout le monde est à l'école. Que tu sois garçon ou fille, il y a une sorte de concurrence. Dans ses démarches pour dissuader des parents en cas d'un éventuel projet de mariage de jeunes filles scolarisées, elle collabore aussi avec la justice. Quand il y a des cas qui se présentent. La première que je contacte, c'est l'assistante juridique. Je vais pour un premier temps contacter la personne en famille. Ensuite, euh, si j'arrive à temporiser, c'est bien. Si je n'arrive pas à temporiser, je l'amène donc au niveau de l'assistante juridique qui m'aide à résoudre le problème. Si à son niveau, on règle le problème, c'est bon. Si on n'arrive pas, donc j'écris une lettre de signalement où j'explique tout le déroulement au juge des mineurs et maintenant le juge des mineurs prend la Delphine a le soutien inconditionnel de ses collaborateurs à cause de ses différentes actions. Farida, admiratrice de Delphine Mensa, la soutient à 100%. Nous la soutenons à 100% parce qu'en tant que femme, nous comprenons la douleur d'autres femmes. Nous apprécions beaucoup son engagement, qu'elle persévère dans ses efforts. Selon Delphine Mensa, bien que ses actions soient mal perçues à ses débuts par son entourage, aujourd'hui elle a su gagner l'estime de beaucoup de parents à Maradi qui ont fini par comprendre la noblesse de son combat, celle de protéger les jeunes filles scolarisées et tous les enfants en général. Voilà, donc euh, euh, je, vous avez tous euh, découvert ici qui était Delphine Mensam et Mariama Laoualich. Quand vous la connaissez, je vous ai vu donc remuer à plusieurs reprises la tête. Je la connais très bien. Alors vous voulez dire quelque chose Je connais un Delphine, une femme très convaincue et une femme engagée. Les femmes comme Delphine, pour moi, ce sont, ce sont des <laughs> baromètres d'une situation. Voyez depuis quand elle s'est engagée dans cette, lutte. cette lutte. Et jusqu'à présent, elle n'a pas le, le, temps de se reposer. Ça veut dire que le problème, il persiste encore. Il est en train de gagner du terrain. Pour dire que à Nafisa et à, à Madame Ambarka que il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Euh, et, et, donc, avec euh, ce que vous nous avez développé tout à l'heure aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a encore des insuffisances dans ces documents ou bien, euh, comme Nafissa le disait, avant qu'on aille à la découverte de Delphine, peut-être des dispositifs pour appuyer, accompagner ces tests. Et c'est juste que dire que les interventions que nous sommes en train de mener ne suffisent pas, ne peuvent pas résoudre le problème. Parce que si vous regardez, ne serait-ce que la région de Maradi, il y a certaines localités qui sont très précaires en matière vraiment de scolarisation et de maintien des filles à l'école. Il y a certains villages qui aujourd'hui, il n'y a jamais eu de filles admises au BEPC. Il y a certaines localités dont les écoles existent depuis 58 ans qui aujourd'hui n'a jamais eu de modèle de réussite, que ce soit au niveau des garçons, que ce soit au niveau des filles. Donc moi, je pense que il faut continuer les interventions, il faut continuer les sensibilisations pour amener les gens à un changement de comportement et responsabiliser les filles. Dans certaines localités, les filles n'ont pas de parole. Les filles sont exposées, mais elles n'arrivent pas à comprendre leur situation. Elles savent pas aussi à qui s'adresser pour résoudre certains problèmes. C'est pourquoi nous, nous essayons de les responsabiliser pour qu'elles prennent elles-mêmes leur destin en main et arriver vraiment à comprendre certains abus dont elles sont victimes. Alors, est-ce que définitivement tout cela, je veux dire, le fait euh, de, retirer les filles précocement à l'école euh, peut avoir des conséquences euh, sur la société. Madame euh, euh Kaltoum là encore, vous allez me référer à quelqu'un parce que là, je ne vais pas accepter du tout. <laughs> Peut-être j'ai mon petit mot à dire, un, mot, vraiment personnel. Je me rappelle euh, une fois le président guinéen qui était venu ici. Dans son discours, il disait éduquer la jeune fille avant qu'elle ne naisse. Comment peut-on éduquer une femme avant qu'elle ne naisse Alors, il a dit éduquer la jeune fille. Quand vous éduquez la jeune fille, la femme est éduquée. Et si la femme est éduquée, je crois que c'est un un plus pour la société. C'est elle, comment, le noyau de la cellule familiale et c'est elle qui donne l'éducation. Je pense qu'il est nécessaire d'éduquer les filles. Et vous pensez très bien d'ailleurs, à Nafissa Adamou, donc de l'ONG FAT, euh, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan politique, peut-on dire que cela a réellement des conséquences Si vous arrivez à éduquer une fille, vous allez éduquer toute la famille, les frères, les sœurs, en tout cas tous les membres de la famille vont en bénéficier. Et malheureusement, ce que nous constatons, si vous regardez tous les secteurs de développement aujourd'hui. Tous les mots, en tout cas, qui sont liés au sous-développement, sont tirés vers le bas par l'éducation. Et l'éducation de qui C'est spécifiquement l'éducation de la jeune fille. Madame Mariam il y a un rapport mondial de l'UNESCO qui a démontré qu'il suffisait que une femme fasse la scolarité primaire pour améliorer son revenu, même si c'est dans la production agricole d'au moins 10%. Lorsque une femme où une fille achève le cycle primaire, on va constater une réduction du taux de malnutrition. Son enfant a deux fois plus de chances de survivre que lorsque elle n'a pas été. Lorsqu'on arriverait à scolariser toutes les filles, c'est en ce moment-là que on pourra plus parler du problème de sous-développement. C'est en ce moment-là seulement qu'un pays peut amorcer son décollage économique. Alors donc on pourra dire qu'on va tirer la conclusion, mais juste avant, nous allons aller rapidement à notre partie détente qui est donc la rubrique affairage. Affairage, affairage, affairage, affairage. Hé, <laughs> hey, quel plaisir de te voir. Racha, c'est toi Comment vas-tu À en juger par l'expression de ton visage, il y a quelque chose qui ne va pas, hein hum, Quelque chose. Beaucoup de choses ne vont pas dans ce pays de... Ah bon Raconte-moi. On vient de refuser le billet pour que je puisse voyager avec ma fille, prétextant que nous n'avons pas de pièces d'identité. Eh, ta clique Depuis tout ce temps, comment tu arrangé pour voyager Bah, tu sais, nous, les nomades, on bouge beaucoup. Tu sais aussi que moi, je suis née dans un petit village, ma fille dans les mêmes conditions. Il n'y avait pas moyen d'obtenir un quelconque papier que ce soit. Mais c'est un crime, ma chère. Tu ne sais pas que c'est le premier droit d'un enfant d'être déclaré dès sa naissance. Hmm. Sans cela, l'enfant est considéré comme un apatride, une personne qui n'appartient à aucun pays. Donc, il ne peut pas avoir de nationalité. Ça alors, je ne le savais pas. C'est donc grave. Qu'est-ce que nous allons devenir maintenant Eh bien, dans ces conditions, ta fille ne pourra jamais aller à l'école comme toi, tu n'y as jamais mis les pieds. Vous êtes comme des moutons sans propriétaire. Excuse-moi pour la comparaison. Hé <laughs> hey s'il te plaît, aide-nous. Au lieu de te moquer de nous, comment faire pour obtenir ces pièces d'état civil Selon mes informations, les textes qui régissent l'état civil du Niger accorderaient un délai de 10 jours aux parents pour déclarer un événement, par exemple naissance, mariage ou décès, et d'établir les actes d'état civil. Cependant, passé ces dix jours-là, vous devez recourir à la justice pour la délivrance d'un jugement déclaratif. Dans ton cas, par exemple. Comment Tu parles vite. Je me perds toujours avec les longs discours. Hé, hé, calme-toi, c'est simple, ok Ici, la procédure se fait en deux phases. La première, c'est celle du jugement déclaratif. Si c'est dans une commune, c'est le juge de la commune qu'il faut aller voir. Si c'est dans un département, le président du tribunal d'instance est la personne indiquée. Si c'est dans un chef-lieu de région, il faut saisir le juge chargé des affaires civiles, commerciales et coutumières du ressort. Tu formules donc une demande de la localité dans laquelle tu es né. Seulement, la procédure exige que tu présentes deux témoins en plus de ta personne, car vous serez interrogé. C'est par la suite que le juge ordonne à la mairie du lieu de ta naissance de te délivrer l'extrait de naissance. La deuxième phase consiste donc à la transcription du jugement déclaratif. C'est tout Attends, ce n'est pas tout. Tu vas payer une amende allant de 1000 à 10 000 francs CFA. Combien de temps tout cela peut prendre Oh bon, pas beaucoup, hein. 3 à 7 jours. Je pars directement dans mon département pour les démarches et je commence d'abord par le mien, ensuite suivra l'extrait de naissance de ma fille. En tout cas, tu as intérêt. Hein? Merci beaucoup, Raïcha. Alors, fidèles auditeurs et auditrices du studio Kalango, vous l'avez tous entendu, le maintien de la jeune fille à l'école au Niger est un réel problème, une réalité euh, au Niger. Donc, comment faire pour euh, maintenir ces jeunes filles à l'école ou donc augmenter le taux de, scolarisation de la jeune fille à, euh, à l'école Ce serait de combler les insuffisances des documents qui cadrent la protection de la jeune fille à l'école, aussi les accompagner avec les dispositifs nécessaires, sensibiliser et responsabiliser en plus les concernés, donc la jeune fille. Ce sont donc entre autres alternatives citées ici par nos invités que nous avions eu autour de cette table. C'est donc ici que prend fin cette émission. Nous étions en compagnie de Nafissa idée coordinatrice de FAD, Femmes Action et Développement, une organisation non gouvernementale qui œuvre pour la promotion de la défense des droits et des femmes au Niger. Mariama Lawali ou directrice de la promotion de la scolarisation euh, de la jeune fille au ministère de l'enseignement primaire, qui a défendu valablement le ministère, je voudrais l'ajouter. Et Madame mm. Kaltouma Ambarka du réseau des organisations du secteur éducatif du Niger fidèles auditeurs, chers invités, merci infiniment. Envoyez-nous vos témoignages et vos propositions en message vocal par WhatsApp au 80 06 88 54. Au micro pour vous servir, Diallo Mariama Kenda à la partie technique Chambiano Abdelkader. Espace femme. Espace femme. Espace Espace femme.